Auditrice du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu de ce jeudi 4 mai 2023. Moi c'est Fanta Chamsou et aujourd'hui je suis avec Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam. Bonjour Fanta, tu vas bien Je vais bien, Alhamdulillah. La technique est assurée par Seni Isaka et Raila Toussoumana à l'édition. Allez Mariam ce <laughs> matin, Mariam, il y aura un flash d'information, la rubrique hebdo avec Ousmane Mahmoudou qui va nous édifier sur les mots des passes. Et direction d'IFA pour le reportage région sur l'agriculture et aussi les cultures des contre-saisons. Il y aura aussi la page sport avec notre chroniqueur sportif Hasumi Gourouza et la culture linguistique en français en fulfulde. Et comme invité ce matin, nous recevons Ibrahim Moussa Al-Mustafa que vous connaissez sûrement sous son nom d'artiste Iboulele. Il est web comédien mais il est aussi chef entreprise. Chers auditeurs, comme d'habitude, c'est avec le flash d'information que nous allons ouvrir cette édition. Aujourd'hui, il sera présenté par Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Fanta. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, comment ça va Ça va bien. Quelles sont les nouvelles ce matin Alors, pour les nouvelles de ce matin, il y a le Conseil consultatif national ad hoc de politique fiscale qui est officiellement installé hier. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre des Finances a rappelé que la création de ce comité s'inscrit dans le processus de refonte et de simplification de la réglementation fiscale initiée depuis fin 2021. L'objectif est de parvenir à mettre en place une réglementation fiscale simple, transparente, incitative et équitable pour tous et surtout adaptée à nos réalités économiques. Ensuite, euh, nous avons une deuxième vague d'environ 50 ressortissants nigériens vivant au Soudan qui ont été rapatriés hier par l'État nigérien. Selon le secrétaire général du ministre d'État, M. Ado Alhaj Abou, ils ont atterri Saint et sauf. Le secrétaire général du ministre d'État réitère ses remerciements à l'endroit des autorités tchadiennes qui ont été, à travers leurs ambassades à Khartoum, à sortir les Nigériens dans cette situation pour les amener dans une autre localité où il a été possible de les rapatrier à N'Djamena avec la logistique du Tchad, indique l'agence nigérienne de presse. Enfin, le ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Hassoumi Massaoudou, et le nouvel ambassadeur de la coopération suisse au Niger, Nicolas Nang, ont signé hier mercredi un accord de financement au secteur eau et assainissement pour un montant de plus de 12 milliards de francs CFA. Ce programme pour la période de 2016-2030 permettra de faciliter l'accès à l'eau potable et à la possibilité d'avoir une hygiène personnelle suffisante, ce qui permettra d'améliorer l'état de santé des populations dans les régions de Dosso et Maradi, a indiqué le ministre nigérien des Affaires étrangères. Merci beaucoup Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé ce matin, nous recevons Ibrahim Moussa Al-Mustafa comme invité connu, bien sûr, sous le nom de Iboulele. Bonjour Ibou. Bonjour Fanta. Alors, tu vas bien Oui, ça va, ça se passe bien et toi Super, ça va bien. Super. Avec vous ce matin, nous allons parler de l'entrepreneuriat digital, mais mhm. aussi de la web comédie. Mais mm, avant, nous allons d'abord souffler en musique, n'est-ce pas Mariam Bien sûr, Fanta, chers auditeurs, nous invitons à faire un premier tour de notre playlist avec ce son des Matata de Abel Zamani. mm Oh, shucks. uh, I'll be some money. Uh, uh. Drop to the beat. Wait, sexy lady, come be my lover. Wait, sexy lady, come be ma la vie d'être toi. Si je te vois pas, ton amour me brûle le cœur. Et est ta présence, je suis hors de mes soucis, ma baby. Ton amour me fait vivre, ta beauté me fait fasciner. Dans son sol, nous bougeons, nous crions, nous flattons, nous. J'ai pas peur, baby. Avec les amants sur la plage, je veux mettre l'ambiance ce soir. Baby, danse pour moi, sans tout, je veux danser pour toi, le pays. Abel Zamani est un chanteur et compositeur nigérien. Il a enregistré son premier morceau avec son père Salif Balke du groupe musical nigérien Tandé. À l'âge de 8 ans, il évolue dans les registres de l'afro-papa, de l'afro-pop plutôt, et ses chansons portent sur des thèmes du verre, notamment l'amour. Abel Zamani a toujours voulu réaliser le rêve de son père, celui d'être une star de la musique nigérienne. Il quitta le pays pour poursuivre ses études au Ghana en 2011 plus précisément. Et c'est à Accra qu'il a enregistré son tout premier morceau Sur banjo, Avec ce titre qui connut un grand succès à Niamey, il fut le premier artiste nigérien à faire de l'afropop. Il fait son retour au pays en 2014 avec un album et un concert à Djado cet artiste a connu du succès en collaborant avec des artistes locaux et internationaux et connu de faire bouger la musique nigérienne même hors de nos frontières aussi. cette pause musicale, chers auditeurs, il est temps pour nous d'entretenir, euh, de nous entretenir avec notre invité du jour, Ibou Bonjour Ibou. Bonjour. Vous allez bien, j'espère Oui, ça va, ça se passe bien. Super. Alors, euh, Ibou, Ibrahim, Ibou. Hmm. <laughs> <laughs> Dites-nous, la web comédie et vous, comment cela a commencé Ouais, bon, écoute, euh, moi, <coughs> je pense que c'était quelque chose euh, que je savais que j'allais déjà faire depuis un peu tout petit, ado, tout ça, parce que j'étais quelqu'un qui aimait. Déjà, moi-même, j'aimais trop rire. Tout ce mm. qui était humour, comédie, j'étais à fond là-dessus, quoi. Après, euh, c'était en terminale, en fait, que ça avait commencé, parce qu'au début, on était un groupe. On était un groupe de 8. Mm-hmm. Avec des amis, on, a, on s'était dit, bon. Parce qu'en fait, nous, on regardait beaucoup les gens du Bénin, de la Côte d'Ivoire qui faisaient les mêmes choses. Des vidéos. Des vidéos, oui. Et à chaque fois, quand on est ensemble, en fait, on regarde, on rigole. Dès que quelqu'un trouve une nouvelle vidéo qui fait plus rire que la précédente, automatiquement, il veut la montrer à tout le monde. Après, on a dit, bon, on va, on va se, se mettre en groupe, on va essayer quelque chose. Mhm. Donc, on a créé le groupe, on faisait nos vidéos, on publiait. Après le bac, euh, chacun a pris sa route. D'autres ont voyagé, euh, D'autres ont changé d'école. On a voulu continuer avec un ami qui s'appelle Papi. Donc, <laughs> on a continué ensemble pendant un moment. Et après, lui-même, bon, on s'est un peu euh, séparés. Donc, euh, moi, j'ai <laughs> toujours voulu continuer. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, <laughs> il va bien falloir que quelqu'un continue, quoi. Mais dites-nous, c'était comment au début ouais. C'était compliqué ou c'était plutôt cool Bon, tu sais, quand tu fais quelque chose par passion et tout, je pense que déjà là, les difficultés hautes, en fait, tu sens ça un peu moins. Quoi. Mhm. Donc, je peux dire que ouais, c'était difficile et au début, mais bon, ça va. Après, avec le temps, quand tu aimes quelque <laughs> chose et que tu le fais, ça, ça le fait. Quoi. Mais alors, euh, comment cela a été perçu par votre entourage Ouais, euh, quand vous dites entourage, c'est quoi La famille, les amis Oui, la famille, les amis aussi par le grand public nigérien. Ouais, bon, déjà, je pense que le public, ça va parce que c'est le, plus. <laughs> on va dire que le cas, nous, on adore vos <laughs> vidéos. <laughs> le public, ça va. On peut dire que c'est peut-être à la maison, à la maison quand on voit, euh, bon, lui, euh, j'étais comme j'étais. à la maison, quand ils voient, ils disent Ah, lui, Ibou, dans quoi il se met là Lui qui est bien à l'école et tout là, il veut faire de la comédie. Parce qu'en fait, tu vois, ce, genre d'art, dès qu'on te voit faire, les gens automatiquement, ils te collent une étiquette, quoi. Mhm. Ils te disent, non, il est en train de perdre son temps et tout. Après, voilà, quoi. Quand ils voient que ça commence à prendre, euh, je commence à être invité, comme là, je, le suis Studio, On est suivi, hein, c'est 52 de nos radios partenaires partout à travers le Niger. Super. tu vois, alors quand ils voient que, en fait, ça intéresse les gens, souvent, il y a des gens qui viennent à la maison, ils disent Ah, donc Iboulé, c'est votre fils, tout ça. Donc, euh, bah, après, bon, il s'y habitue et puis ils euh, il me laisse faire, quoi. Ok. <laughs> Mariam, tu n'as pas de questions pour Ok, si, alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes le plus confronté euh, Côté humour. Bon, moi, je, je, peux dire que c'est. C'est surtout. Il n'y a pas je sais pas, peut-être euh, vous avez prévu la réponse. La, question, c'est surtout côté rentabilité. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, euh, surtout euh, avec la localisation qu'on a ici au Niger, en fait, il n'y a pas un moyen pour monétiser tout ce qu'on fait. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est sur, nos ponts, sur nos fonds propres. Du coup, nous, maintenant, c'est à nous de voir comment pouvoir rentabiliser ça. Mhm. Donc, après, nous on, trouve des moyens, on fait des, spectacles, on fait des films qu'on vend au ciné. Donc euh, ça va. Je pense que c'est une difficulté qui est là, mais euh, à laquelle euh, on essaye de trouver à chaque fois une solution. Hmm. Est-ce que vous, faites, vous faites aussi du stand-up Oui. En fait, le stand, moi, je pense que le nombre de fois où j'ai fait du stand-up, ça se compte au bout du doigt. Il y a, beaucoup de gens qui, m'ont conseillé de continuer, mais bon, hmm. Moi, j'aime pas vraiment. Moi, je préfère être derrière la caméra, imaginer mes scénarios, faire mes vidéos et puis monter. Après, voilà, c'est vrai que quand je fais du stand-up, c'est bien, mais moi, je, <laughs> quand, quand, je, quand je me sens pas dans quelque chose, même quand c'est bien, bon, j'aime pas trop rentrer dedans. Mais après, bon, je prévois aussi, euh, peut-être d'ici un ou deux ans, euh, faire un, un comedy club. Ah. Un one-man show plutôt, pas un mm. comedy club. Donc, euh, voilà, c'est -ce des pistes. Vous pouvez expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'un one-man show Oui, en fait, un one-man show, c'est surtout euh, dans l'humour qu'on a ce, ce, ce, genre de truc. Comme son nom l'indique, c'est un one-man show. Donc, c'est un one-man qui vient pour faire son show devant le public. Donc, euh, comme ce que a fait avec Voilà. Bon, pour Wanouski, on peut dire que c'est du semi-one-man show parce qu'il y avait beaucoup d'artistes invités. Mhm. Parce que lui, il a fait une première partie avec des artistes invités, après, il a fait la deuxième partie. Un one-man show, normalement, dès qu'on t'annonce et que tu rentres, c'est fini, tu descends plus, personne ne rentre jusqu'à jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est <laughs> un peu ça. On souhaite que cela euh, réussisse. Inch'Allah. Merci beaucoup. Avant de continuer cet entretien, nous allons vous laisser souffler et nous allons aussi souffler en musique. N'est-ce pas, Mariam Bien sûr, Fanta, auditeur, je vous propose une autre petite balade en musique avec Daranya de Yakbi, Nana Ayubaya et Tinibio. woman composé de Yakbi ou encore Yakuba Adamou et son épouse Nana et Fatuma Suleiman, plus connues sous le nom Nana Ayubanya. Les deux sont des artistes compositeurs bien connus du public nigérien. Ces groupes ou ces couples chantent avec un style plutôt classique et au-delà des chansons originales, ils ont à leur compte. Ils interprètent beaucoup de vieilles chansons du terroir qui modernisent et dont on adore. Et c'est justement le cas de cette chanson que nous venons d'écouter, qu'ils ont interprétée avec Tini Biounia, qui en réalité s'appelle Moumaï Haruna. Cette dame qu'ils ont jugé utile d'associer dans leur chanson, vu sa connaissance du monde traditionnel et aussi des vieilles chansons du terroir. Voilà, Ibrahim, j'espère que vous avez aimé. <coughs> c'est une belle chanson. Je pense que c'est l'une des chansons qui a fait le plus euh, de vues. Euh, elle a <laughs> cartonné à un moment. <laughs> Donc, euh, euh, pour revenir à notre entretien, Ibou, à part la web comédie depuis quelques temps, nous avons une nouvelle image de Ibou Lélé, un peu plus sérieuse, hein, je dirais cette <laughs> fois-ci. On parle de Ibou à travers euh, Habib Digit, une entreprise qui évolue dans le digital. Dites, qu'est-ce que ça fait de passer de la web comédie au chef d'entreprise Ouais, bon, en fait. <coughs> En fait, c'était. j'avais déjà commencé à entreprendre depuis c'est juste qu'en fait, euh, les gens ne me connaissaient pas. Côté, euh, <laughs> côté entrepreneuriat, comme vous venez de le dire. Après, bon, moi, <clears throat> je pense que euh, l'humour l'humour que j'ai fait m'a ouvert beaucoup de portes. Parce qu'aujourd'hui, les gens découvrent Habib Digit à travers l'humour, à travers ce que je fais. Après, quand les gens ils voient, ils disent Ah, donc tu, tu entreprends aussi. Mm-hmm. ça. Donc, je pense que ça, ça, fait une belle transition. Et aujourd'hui, je peux m'appuyer sur mon audience humoristique pour euh, me faire des clients. C'est qui nous renvoie à l'autre question de rentabiliser l'humour que vous faisiez. Mais est-ce que ça fait plus de responsabilité pour vous Ouais, bon, moi <laughs> je, je pense que c'est... Voilà, c'est... <clears throat> Obligé, ça va faire plus de responsabilité parce que là, <clears throat> souvent, euh, souvent c'est un peu compliqué de, de, mélanger les deux. Mm-hmm. Souvent, à cause, euh, à cause du boulot, <clears throat> tu es obligé de mettre pose euh, sur certaines activités et tout, côté humour. Euh, donc voilà, quoi. je pense que il euh, y a toujours un qui prime sur l'autre mhm. et des fois l'autre qui prime sur l'autre. Ça dépend vraiment de <laughs> comment, comment je vois la chose. Quoi. quels sont nous, on entend parler de Habib Digit, on sait mhm. que c'est une entreprise digitale. Mais mhm. quels sont concrètement les services que vous offrez Ok, donc en fait, Habib Digit, on évolue, comme vous l'avez dit, dans <clears throat> dans le digital. Donc, nous sommes plus sur la, dans la communication et le marketing digital. Mhm. Donc, tout ce qui est développement web, mobile. On fait aussi du design avec euh, la réalisation d'identité graphique. On est aussi dans l'événementiel. Mhm. Donc, euh, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'événements sur lesquels on a, on a eu à travailler. Donc, euh, voilà, un peu, on fait aussi de l'audiovisuel. Donc, c'est un peu ça, quoi. Tout ce qui est digital, quoi tout ça là, Machal. Je me dis que vous, vous, n'êtes pas seul, alors vous, avez des associés ou des employés euh, Si, si, donc à Bib Digit, on est actuellement au nombre de 7. Donc euh, voilà, euh, ça va, il y a du monde quoi. <laughs> Mais alors, est-ce que vous avez abandonné la web comédie Ouais, bon, <clears throat> pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui, me posent des questions. En fait, moi, euh, je sais pas, actuellement dans ma tête, j'ai. Je me dis que j'ai atteint un certain niveau où je dois je dois peut-être innover, faire quelque chose euh, de nouveau. Donc là, actuellement, je prépare quelque chose euh, que je ne vais pas vous dire, euh, malheureusement. <laughs> <laughs> Donc déjà, le projet, le projet du One Man Show dont j'avais parlé, <clears throat> c'était déjà, déjà prévu en 2022, mais finalement, on n'a pas pu le faire avec mon directeur artistique. Donc voilà, après, <clears throat> on est en train de préparer une série de vidéos en fait, je suis en train d'adopter un nouveau style. Mhm. Après, je me dis, bon, là, moi, je vais adopter un nouveau style purement nigérien, avec des, avec des, des, des, des concepts nigériens, et puis rendre ça euh, encore plus waouh, plus chic, quoi. Donc, en fait, Iboulele et les vidéos, c'est pas près d'être fini. C'est pas près d'être fini. C'est juste une petite pause en attendant, quoi. <laughs> Merci beaucoup, Ibou, pour euh, votre disponibilité. Merci, Fanta. Merci, Mariam. Nous vous souhaitons vraiment un très bon vin. Merci à vous aussi. <laughs> Mariam, nous sommes jeudi et les jeudis, notre rubrique hebdo parle euh, éducation en général et aussi des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous sommes avec Ousmane Mamoudou qui va nous parler des mots de passe. Fanta, pour rappel, Ousmane est le responsable de l'équipe numérique du studio Kalango. Bonjour Ousmane. <laughs> Bonjour tout le monde. Alors, euh, on va parler des mots de passe. Moi, je me dis, mais pourquoi vous avez choisi euh, les mots de passe aujourd'hui Alors, aujourd'hui, en fait, c'est le 4 mai, c'est la journée internationale des mots de passe. Et donc, euh, à cette occasion, la boîte Nord passe, donc une, une, boîte spécialisée dans la sécurisation des mots de passe. Ils construisent des gestionnaires de mots de passe. Ils ont fait une petite étude pour euh, lister les 200 mots de passe les plus utilisés au monde. Mais alors, euh, Ousmane, un mot de passe, c'est quoi Alors, le mot de passe, c'est comme une clé qui va venir ouvrir une sorte de porte, sauf que cette clé-là, elle ne sera pas une clé physique, c'est une clé virtuelle. Donc elle sera composée essentiellement de chiffres, de lettres, de caractères. Et donc ces chiffres, ces lettres, ces caractères vont être utilisés pour déverrouiller vos comptes Facebook, votre ordinateur, etc. Mais ce mot de passe, on a besoin qu'il soit solide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre un mot de passe faible que quelqu'un qui vous connaît suffisamment peut deviner. Si je connais suffisamment Ibu je peux approximativement deviner quel mot de passe il pourrait mettre pour son compte Facebook, pour son ordinateur, etc. Donc c'est <coughs> pour éviter cela que la boîte a fait une petite étude pour sensibiliser la population. Alors, quelle est cette étude Alors, cette étude, c'est une étude, euh, donc, je l'ai dit, qui a listé les 200 mots de passe les plus couramment utilisés au monde. Donc, elle a été réalisée par NordPass, donc c'est un gestionnaire de mots de passe. Mais ils ne l'ont pas fait tout seule. Ils ont aussi utilisé, ils ont aussi collaboré avec des chercheurs euh, indépendants dans le monde, donc qui sont spécialistes vraiment de la sécurité informatique quel est l'objectif de cette étude Alors, l'objectif, c'était, je l'ai dit en intro, c'est vraiment de sensibiliser les internautes euh, à choisir des mots de passe un peu compliqués, un peu difficiles à deviner. Et on va voir lesquels. Donc, cette étude, elle a concerné 30 pays à travers le monde, parmi lesquels un seul pays africain qui est le Nigeria, donc tout près de nous. Et ils ont utilisé, à peu près 30 euh, teraoctets de données ce qui n'est pas mal. Voilà, alors euh, quels sont les mots de passe les plus couramment utilisés dans le monde alors, les mots de passe les plus courants, je pense que tout le monde les a en tête. Le premier, en tout cas, <laughs> c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est ressorti de l'étude. Donc, vraiment, les gens ne se cassent pas la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est disposé sur le clavier. Donc, ce mot de passe-là, par exemple, de leur échantillon, j'ai fait une erreur tout à l'heure, ils se sont basés sur 3 teraoctets de données. Mhm. Donc, c'est un mot de passe qui s'est retrouvé 1,5 million de fois dans leur base de données, quand même qui est petite, mais assez représentative. Donc, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a aussi au Nigeria, tout près, le, ce 1, 2, 3, 4, 5, 6 là, c'est vraiment le premier mot de passe le plus utilisé dans tout le pays. <laughs> Donc lui, au Nigeria, il est sur leur base de données, il est à peu près à 14 000 occurrences qu'ils ont trouvées. Donc c'est, on peut estimer que c'est largement plus et que peut-être même au Niger, on n'est pas très différent du Nigeria, en tout cas sur certains aspects qu'on va retrouver cette dynamique de mise en place des mots de passe. <laughs> Préoccupant, n'est-ce pas Alors c'est assez préoccupant parce que ces mots de passe-là, ils sont très faibles. Et aujourd'hui, quand vous avez une machine qui a un petit processeur, on va dire, un corps i quelque chose, c'est très facile, ou même un téléphone portable qui sont de plus en plus assez puissants. Tous ces mots de passe, ils sont craquables, donc ils sont cassables à moins d'une seconde. Tant que vous allez utiliser un mot de passe très faible, la machine le devine, mais très très vite. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, dans le monde aujourd'hui, il y a des bases de données de mots de passe que les pirates utilisent. Donc, à chaque fois, quand ils vont faire leur test d'intrusion, on appelle ça. Donc, ils vont essayer de passer par force brute brute attaque par brute force on l'appelle. Donc ils vont dire à l'ordinateur bon je vais accéder à cette machine là euh, essaie de me deviner son mot de passe. Donc l'ordinateur va faire une série de tests très très vite. Et donc ce type de mot de passe, il peut le deviner en moins d'une seconde. Donc c'est pas du tout pratique. Et comme je le disais encore en intro, quelqu'un qui vous connaît suffisamment bien, vraiment il, peut deviner votre mot de passe. Souvent on met le nom de son enfant, sa mhm. date de naissance etc., etc. Donc c'est des trucs à éviter. Intéressant. Alors Ousmane, comment les mots de passe sont-ils influencés par les tendances et les événements culturels Alors ce qu'il y a d'intéressant également dans l'étude, c'est qu'on a vu que finalement les mots de passe, les gens regardent un peu ce qui se passe, ils suivent la mode, ils suivent des humoristes, des films, et en fonction de ça aussi, ils mettent des mots de passe. Mhm. Dans l'étude, on a retrouvé par exemple le mot Batman qui était beaucoup beaucoup utilisé parce que bon c'est un super héros que tout le monde connaît mhm. Et au Nigeria, j'ai regardé, il y a également des mots qui reviennent comme Abdul, comme l'année 82, 1982, qui est très utilisé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est parce que le Nigeria a échoué à la Coupe d'Afrique, je ne sais pas. Je regardais un peu ce qui s'est passé en 82 à cette année. En tout cas, c'est le second mot de passe d'ailleurs le plus utilisé. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est vraiment l'année 1982 au Nigeria. Donc il s'est forcément passé quelque chose. Après, vous avez euh, d'autres noms aussi comme Ayobami, qui est peut-être un nom Yoruba, je ne sais pas, peut-être aussi. J'ai regardé, c'est une écrivaine, peut-être qu'elle a fait des trucs intéressants là-bas. etc., mhm. etc. Donc il y a tout l'aspect culturel, il y a la mode, etc. Mais si vous partez, en tout cas, je vais vous mettre le lien euh, de l'étude sur le site à la fin de la chronique, vous allez vraiment retrouver les mots de passe utilisés par catégorie. Il y a des catégories réservées aux aliments. On retrouve des aliments. Ils ont fait une liste pour la bouffe. <laughs> Les, mots de passe qu'on retrouve dans le domaine de la nourriture, de la mode, des voitures, etc. Du sport. Les gens sont inspirés. C'est assez intéressant, oui. <laughs> Alors, Ousmane, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour choisir un mot de passe sécurisé Alors, euh, la première étape, c'est de ne jamais mettre un nom qu'on trouve dans, dans, un dictionnaire. Il faut jamais mettre, quel que soit le mot là, tant qu'il est dans un dictionnaire classique, la rousse, etc., il faut jamais le mettre. Parce que je le disais tout à l'heure, c'est des mots de passe qui sont facilement craquables. Même si le mot il fait 12, 12 euh, lettres, je ne sais mhm. pas où il est très grand, c'est il ne faut pas du tout l'utiliser. Donc on aura tendance à utiliser un mot de passe qui est long et qui contient une combinaison de chiffres, de lettres, mais aussi de caractères. Les caractères, c'est tout ce qui est espace, point d'interrogation, point d'exclamation, dièse, star, etc. etc. Oh. Mais ça, <laughs> il ne faut pas l'utiliser quand on a la mémoire courte. on ne peut pas l'utiliser, mais aujourd'hui, c'est intéressant parce que je disais Nord, NordPass, c'est en fait une boîte qui, fabrique des gestionnaires de mots de passe. Mhm. Aujourd'hui, tout le monde est sur un million de réseaux. On a un million de mots de passe et c'est pas possible de les retenir. Et donc, mais certains, ils mettent un mot de passe pour tout leur conseil qui est encore plus grave. Il faut ah. jamais le faire. Donc, il faut, si quelqu'un a un seul mot de passe, il accède à toute votre vie. Donc, utiliser des mots de passe compliqués. Et pour ce faire, on ne retient pas tout. Utiliser ce qu'on appelle les gestionnaires de mots de passe. Et il y en a beaucoup. Il y a NordPass, il y a par exemple Bitwarden que vous pouvez installer sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Il y a LastPass, etc. Il y en a beaucoup. Donc eux, ils vont vous permettre de, ils vont mémoriser tous vos mots de passe à votre place, mais sauf que vous, vous allez juste garder un seul mot de passe qui va vous permettre d'accéder au logiciel pour vous connecter au reste de vos applications. Merci Ousmane bonne journée à vous. <laughs> Chers auditeurs, avant de continuer, nous allons faire une pause musicale avec Zaki Yaikara de Mahmoud Nadankou. zaki yayi kara da kwantan barar alƙali rima Allah mai girma ya ba mu girma mu ma mun soma wanda ya so ni sai na so shi wanda ya ki ni sai na ki shi wanda ya bani sai na bashi ko ya yi kwance ko ya tashi mai so ya karni sai na karshi wallahi tun da ya dau bashi mugu na barci ba a taba shi sai lallashi har karba karya gaba ta wuce baya da taɓarya addu'a ta uwata wallahi Allah ta gama komai na sha tabara na sha la'aula na sha maganin ƴaƴan eh mayu eh haka ne aka gan mu kuma a bari mu ya zama dole zancen wa ƙarya amarya ce ga tallalle duk ƙaryar fata in wuta ta hause ta sale ku tsaya daga nan dai fadar mu mun riga mun kulle ce ba mu in kai ne ka rike ka in za na yi numfashi ka rike har sai na bi ka kai da baka da rai koko wuta koko aljanna kake ta faman kwambo tsaya gyara malam na Saka sai taimai daidai ina gode, taimana. <laughs> Le chanteur Mamour Nedanko a tiré ses sons de celui de son idole Ibrahim Danko, chanteur du Nigeria, auteur du, titre Tambora Mosoya. Mamour est un artiste au talent multiple. car il agit sa passion et qui est la musique à l'humour avec beaucoup de douceur. Il nous vient aujourd'hui avec euh, le son Zaki Yaikara. En tout cas, chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé. Mariam, il est temps de faire voyager nos auditeurs. Aujourd'hui, nous vous invitons à Difa pour parler agriculture. Dans cette région, Fanta, les cultures de contre-saison et les productions au niveau des, aménagements hydro-agricoles sont des activités qui font vivre la région et qui rencontrent des difficultés ces dernières années. Le reportage est signé Guy Abdurrahman. Cela fait environ cinq années de suite que la montée des eaux de la Komadougou Yobé inonde les champs et certains périmètres de production agricole. Le directeur de l'Office national des aménagements hydro-agricoles relève ici le problème que rencontrent les agriculteurs suite à ce sinistre. Yerima Mustafa, le directeur de l'ONAHA. Il y a eu vraiment des dégâts qu'on a arrêtés. Les dégâts sont pratiquement sur différentes donc, euh, dégradations des infrastructures. Donc les digues ont cédé. Il y a les canaux d'irrigation qui sont dégradés sur le périmètre. Il y a les installations aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été donc endommagées. Là, il faut penser vraiment à réhabiliter les aménagements hydro agricoles. Là, on sollicite euh, l'appui des partenaires et de l'État pour que ces exploitants puissent exploiter sans difficulté. C'est pourquoi cette année, un nouveau processus d'agriculture a été engagé dans la région de Difa, explique Yerima Mustafa. En perspective, nous avons organisé des séries de rencontres avec ces exploitants, voir comment donc nous allons trouver les voies et moyens pour faire la mise en valeur durant cette campagne saison sèche de mettre l'accent sur la mise en valeur durant la campagne saison sèche. Vraiment, avec ces exploitants, nous avons fait des séries de rencontres et pour techniquement renforcer leur capacité à la résilience. Nous avons retenu 202 hectares pour la mise en valeur durant cette campagne. Il y a une première étape là où ils ont mis le blé, l'oignon, la tomate et les choux. Là, nous avons totalisé 43,5 hectares. Deuxième étape, déjà, on a 80 hectares qui sont répiqués en riz. Et le répiquage, ça continue. Donc, nous espérons d'ici la fin du mois de juin faire la récolte. Par ailleurs, les producteurs ont euh, également exprimé leur souhait par rapport à cette nouvelle démarche. sanin kowa ne an fara harkar noman rani da yake dangance da inundation da ta yi zuwa ana guje ma noman damana yanzu noman rani ne ake ja mutane yanzu suna nan sun fara da shi yanzu dangance da dashen da ake ne kenan dole mambobin cooperative sun zama sun tattauna su gani hanyoyin da za a bi a wata wahalhalu kuma da abubuwan kada ya kamata a yi duka shine ake ana ga tattauna. Kuma san da cewa yau shekara uku zuwa hudu muna yin noma na damana na shinkafa ruwa yana tafiya da su bara muka yi shawara muka ce muka bari mu yi da rani mu gani da muka da rani muka gani mun samu ba gonan gaba daya bane muka yi su gonaki ne kadan muka tantance muka yi su shine suka ce bana muke so mu yi gonan gaba daya duk wanda aka ce kayi aiki shekara hudu baka samu komai ba to shine muke zo muke tada cikin nan mu gani wata hanya zamu bi da haka manoma su tashi su tsaya a aiki dan me yasa yanzu muna daman mu yi noma so uku a cikin shekara nan difa yanzu haka akwai inda aka fita alkama kisa shinkafa kai noma biyu kenan damana tana yi ka je akai noma ka zamna gwamnati les cultures de contre-saison est l'une des activités qui soutiennent les communautés de Difa Cependant, à cause de l'insécurité et des inondations, le secteur a fortement été impacté ces dernières années. Après ce reportage très édifiant, on retrouve Guy Abdraman au bout du fil. Allô Oui, allô Bonjour. Bonjour. Ya ne gidi da dama? <laughs> Da dama alhamdulillah. Madalla. Mun saurari rahoton kufa biskan manoma da matsalolin da suke fuskanta a jihar Difa. Eh, Kuma kamar yadda muka shi yawancin matsaloli da manoman ke fuskanta sun shafi ambaliyar ruwa ne wace aka yi bara shekara ta 2022. Haka ne. To wace irin barna ce ita wannan ambaliyar ruwan nan ta yi wa manoma? kai ma ya yi ɓanna domin ko kai waɗansu ba su fidda komi ciki ba in ka ɗauka ma waɗansu dama kayan gonan ma ba shi ne sun ka zuba su sun kai amfani da shi hakan ya sa cooperative cooperative da yawa suka yi asara da yawa kula fulakar wannan karan suka ɗauki wannan matakan na eh, sabon tsarin ba. Mm. To ko mm. kana iya ba mu iya adadin lambuna da me ake ta gonakai waɗanda suka taɓu bara? a gaskiya adadin su bana iya ne a kiyasi a kiyasi gaskiya za a samu adadin kamar gonakai mhm. sama da ɗari biyu wanda sun ka sabu. Mm. Mm. Ya samu kamar impact zan cewa akan kasuwancin abinci a garin? Kamar farashi ya hau ko ya sauka? Sosai ma farashi ya hau tun da sai dai a kawo abincin daga wani wuri. yanzu idan ka ɗauka a yanzu tun da ana samu ana yin noman ranin ya sa yanzu kayan suka sauka amma a lokacin da wannan shi eh, aka samu wannan inundation mhm. ya sa gaskiya abinci ya hau harhawan farashi ya hau tunda sai an ka abinci da gonin yi. Mm. To Allah ya ƙara kiyayewa da fatan matakan nan za su amfani duka ilahirin manoma jihar Mun gode sosai gidi. Mariam, on fait une petite pause et on se retrouve juste après pour la page sport. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fanta, du sport avec Guruza Hasumi Bonjour Guruza. Allez, bonjour euh, Myriam, bonjour Fanta. Bonjour Guruza. Très bien. Alors euh, aujourd'hui, tu vas nous présenter notre champion en saut, de, en, en hauteur de l'édition 2022. Ah oui, Fanta, il s'appelle Ibrahim Issoufou Djandjouna. Bientôt, il aura 25 ans. Il a quitté vite les bancs de l'école en classe de 3e et s'est lancé dans l'entrepreneuriat et le sport. C'est un jeune euh, plein de potentialités qui a fait en lui. Et je l'ai rencontré au stade général saint de Niamey dans une ambiance en plein entraînement, plein entraînement, et il a bien voulu se confier au studio Kalangou. On l'écoute. Ça fait cinq mois d'entraînement que je fais ici euh, dans le stade de saint et le championnat national est arrivé. Avec la croyance que j'avais et la détermination, je me suis battu euh, pour me lancer et voilà, je suis devenu champion 2022 en son 2023, vraiment, ce qui m'a poussé aussi de me battre encore, c'est parce que j'ai vu, dans un petit temps, je suis devenu champion. Donc, en 2023, j'ai eu le temps, l'année, l'année suffisante de m'entraîner. Pourquoi pas aller très loin pour euh, battre le record national du Niger qui est à 2,10 m et prolonger aussi pour le minimum des Jeux Olympiques, pourquoi pas, malgré que ça reste un an à Paris 2024, je souhaite quand même avec euh, le soutien de nos entraîneurs, euh, du ministère d'Espoir, vous qui nous accompagnez aussi et l'État aussi et tout le monde avec les prières. Inch'Allah, j'ai foi en moi, j'ai confiance et on ira très loin, Inch'Allah. En tout cas, on lui souhaite un très bon courage. Gourouza, le champion national de la Super League a repris sur l'ensemble du pays. Parlons-en de la sixième journée. Oui, euh, Myriam, au stade euh, général Séné Kounché de Niamey, c'était un match nul et vierge, 0-0 entre AS Douane et le S.A.L. Les Bleus-Blancs du Liberté ont fait le service minimum euh, face à la GSC de Tawa au stade municipal de Niamey. Liberté se relance ainsi dans la course au maintien. C'est l'objectif d'ailleurs principal du club. L'Urana d'Arlit continue de montrer sa suprématie en surclassant sans trop de peine le Jongorzo de Maradi. 2-1 entre l'AS Police de Niamey et l'AS Fan de Niamey. La garde dispose euh, de la Nigélex sur le score d'un but à 0 au stade général Séné de Niamey. Vainqueur de la gendarmerie 2-0 devant l'Olympique de Niamey. Enfin, match nul 1-1 entre Akokana FC d'Arlit et Espoir de Zender, deux clubs menacés d'ailleurs par la relégation en Ligue nationale. Au classement général, si vous me permettez, AS Garde prend la tête avec 35 points, suivi de l'AS Police 31 points, le SGN 29 points, GST de Tawa et le Jean Golzo de Maradi en queue de peloton avec 13 et 6 points. Voilà. C'est ça le sport d'aujourd'hui. Merci Guruza pour euh, toutes ces informations. Et à bientôt, j'espère. Ah, mais oui. Mariam, on passe au portrait du jour. Eh oui, Fanta, aujourd'hui, chers auditeurs, c'est lui que nous allons vous présenter est un habitué de ces plateaux. Lui, c'est Abdelrachid Amadou Sanda, plus connu sous Aladdin Mega. Il est cinéaste, mais aussi journaliste numérique. Au studio Kalangou, faut le préciser. <laughs> Merci. <laughs> Il est dans le 7e art depuis plus de 10 ans avec sept films court-métrages et une série à son actif. Farid Bourema nous dresse son portrait. J'ai produit des réalisateurs, j'ai produit euh, quelques réalisateurs ici au Niger et j'ai réalisé, produit, réalisé aussi des films. Euh, parallèlement aussi, je suis euh, journaliste, reporter d'image au studio Kalangu et aussi pour Canal Plus. Afrique. Donc, je réalise quelques documentaires et des reportages pour ces médias-là. Est-ce que vous avez suivi une formation par rapport à en production et réalisation. En réalisation. Oui, j'ai suivi des formations. En réalité, qu'est-ce qui se passe C'est que moi, je suis vraiment un passionné de cinéma. Et après le bac, je voulais faire du cinéma malgré les réticences un peu de, de la famille. Donc, euh, je n'ai pas pu suivre un cursus normal au début parce que au Niger il fallait faire iftik il fallait euh, avoir son diplôme et tout ça. Mais euh, moi c'est du cinéma que je voulais faire donc euh, et comme je n'avais pas eu l'occasion de faire ces écoles-là, je, suivi des formations, des petites formations. Et la première c'était à Cotonou euh, où je suis allé faire le coaching court qui a duré six mois avec des gars comme Gaston Caboret, comme Ignace chez nous donc euh, j'ai fait ma formation, mes premiers pas dans le cinéma avec eux. J'ai fait des formations, la formation en écriture, en réalisation et un peu en production avec eux. Ça m'a permis de rentrer en plein, en, de plein pied dans le cinéma. Comme j'avais besoin de diplômes, j'avais besoin de plus de formations parce que j'avais des formations pratiques, mais je n'ai pas de formations théoriques. Je me suis donc inscrit à l'université Abdou dans la filière agriculture pour euh, avoir cette formation théorique et aussi un peu de pratique, mais vraiment j'ai renforcé la théorie et c'est tout ça qui m'a construit, qui a fait que aujourd'hui je suis, je vais dire, euh, un producteur réalisateur plein quoi. Mm. Est-ce que la formation que vous avez suivie à la filière art et culture est en parfaite adéquation avec vos activités professionnelles La formation que j'ai reçue à, en art et culture à l'université Abdou Moumouni, ça vient à point nommé, mais il me manquait quelque chose. Qu'est-ce qui me manquait C'est le côté théorique, le côté philosophique que je voulais apprendre. Et c'est pour ça que je me suis inscrit à l'université parce que là-bas, j'étais sûr et certain que j'aurais la philosophie qui se cache derrière le cinéma parce qu'il faut le dire, le cinéma, c'est la mère de toutes les arts. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées de l'animation d'un groupe chaque jour de produire du contenu, par exemple vous... Quand on parle de plusieurs personnes, on parle de plusieurs cultures et plusieurs horizons. Chacun vient avec ses prérequis. Donc quand tu as ces genres de, de, de, personnes sur un plateau de tournage, il faut toujours avoir le dos assez large pour comprendre que je ne dois pas heurter cette personne-là dans la production, dans le travail que je fais avec la personne. Les plus grandes difficultés qu'on rencontre sur les plateaux de tournage, un, c'est d'abord le management. Il faut savoir manager les personnes pour que tout le monde se, sente en sécurité et que les gens puissent faire le boulot. En seconde position, c'est les questions financières. Il faut <laughs> être toujours clair avec les gens parce que quand les gens travaillent, la première motivation, c'est l'argent, la question financière. Et souvent aussi, il faut discuter, il faut beaucoup discuter avec les gens pour qu'ils comprennent et acceptent ce que vous leur faites comme proposition financière. Autrement, vous allez avoir des difficultés euh, sur les plateaux de tournage. Après, on va parler de professionnalisme, des comédiens, tu peux rencontrer des comédiens qui n'ont pas bien bûché, qui n'ont pas bien compris les textes et tout ça. Euh, ça prend du temps, mais je pense que toutes ces difficultés sont beaucoup plus techniques et que c'est euh, des choses qui sont surmontables. Merci Farid pour ce beau reportage. Chers auditeurs, une dernière pause musicale avec Bianou de Emankaya. ne ya kasance maso mu taka rawa biya in gyaro ka zo ka sha zariya dan biya haka ne ya kasance maso mu sha zariya biya ga tutar gabas da yamma sai dai biya haka ne ya kasance maso mu taka rawa ta gato ya kai bi kamar kan zan mu sha zariya biya wani kai bi kamar kan zan mu taka rawa biya kai bi kamar kan zan mu taka rawa ta gato gare ka tafi kudu Kanawa. Moi je porte des goûts, c'est qu'à 600, pas les on est tous à l'aise. Donc tu vas manger, bana da shi zo mushe. Mushe fa mushe ka abar ka abaya ina laye ka gaban ka kamata ka sa laye ka ina alban ka gaban ka kamata ka sa alban ka ina tukuni da su saba in ka dar ma gari ga kura daga mashi kai da mana dar mata mushe tun su ba kai ka daga ka ashe. Tun muli jazariya fa mushe. Jazariya zariya zariya. Jazariya zariya zariya. Jazeria, seria, Zeria. La fête des blancs se passe comme ça. Jazeria, Zeria, Zeria. La fête des blancs, la fête de l'année pour l'année des années. Ça se fait chaque année de l'année, ça se fait chaque année. Chaque année, quand j'y reste de masse. Kai yaro ka zo mu taka rawa dan biya. Haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa biya. Kai yaro ka zo ka sha zariya dan biya. Haka ne ya kasance mu zo mu sha zariya biya. Ga tutar gaba sai yamma sai dai biya. haka ne ya kasance mu so mu taka rawa ta gado sai ke bi kamar kan zan mu sha sai ya biya sai ke bi kamar kan zan mu taka rawa biya sai ke bi kamar kan zan mu taka rawa ta gado Allah la ilaha illallah kaji Muhammad Rasulullah ni ne na kire ka sarki Allah Allah dai ya kaura bacin rai sukuna kowa sabakan gida sai ya kai sane kai ya kai kaɗan na raina kai gwami rawa kana sherere sai ka dibi kafa ta ka dibi takin zauna ka sarrafa ba lema yaro bai iya ba bai saba ba ko da ya iya ana koya mai wanda ya juya ya yi wanda bai juya ba wanda ya saba ya yi wanda bai saba Voilà, chers auditeurs, c'était Bien nous de Eman Kaya, une chanson une très belle chanson d'ailleurs, qui renvoie au célèbre festival de Bianou. Mariam, à présent, on passe au loti du jour. Aujourd'hui, dans cette rubrique, les femmes du studio Kalangu parlent des risques qu'il pourrait y avoir dans le fait d'avoir des puits dans une concession et aussi l'importance de protéger ces puits. C'est avec Samira Rouafi et Rakia Arimi. Hein. Mais où est-ce qu'elle est, mise J'espère qu'elle n'est pas encore en train de dormir. Ramo Ramo Ramo Hé Allah Qui m'appelle comme ça à l'air là Ah Que fais-tu dans la chambre pendant que ton enfant est à l'arrière de la cour tout seul Il a manqué de peu de tomber dans le puits. Quoi Subhanallah Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Habibou Habibou, où est-il Arrête de crier, il est juste là. Oui. Mon Dieu Dieu merci oh. Dieu seul sait ce qui allait se passer si je n'avais pas intervenu à temps. Je l'ai trouvé près du puits. Il tentait de rattraper son ballon qu'il a jeté par-dessus. Il aurait pu tomber dedans. Et vous n'en saurez rien. Et vous n'en saurez rien. Mon Dieu. J'allais perdre mon bébé. Et comment est-ce que j'allais expliquer cela à son père Pour cette fois-ci, ça va. Il a eu de la chance. Mais Ramou, je n'arrive pas à comprendre comment peux-tu laisser un petit enfant comme Habibou jouer tout seul dans la cour alors que tu sais que le puits n'est pas fermé. C'est un danger permanent que vous avez là. Écoute ma copine, il était allongé juste à côté de moi avant que le sommeil ne m'emporte. Nous faisons la sieste ensemble. D'ailleurs, si ce n'est pas aujourd'hui, il n'est jamais allé là-bas. Et en parlant du puits, chaque jour que Dieu fait, J'attire l'attention du boy de fermer le puits quand il finit d'arroser les plantes. Je n'en disconviens pas. Mais tu dois redoubler de vigilance et t'occuper personnellement de ce fameux puits, et bien fermer après chaque usage. D'ailleurs même, pourquoi garder un puits alors que vous êtes connecté au réseau de distribution d'eau hmm. C'est mon mari, Wallahi. Quand je lui parle de les supprimer, il avance qu'il a un projet de forage qu'il compte implanter sur le puits. C'est une bonne chose, mais avant demande-lui de consulter un spécialiste, car il y a des normes à respecter. Mais en attendant, essaie de protéger le puits mettre une grille ou une plaque de sécurité par-dessus pour protéger l'ouvrage et par la même occasion les enfants. En effet, il a déjà pris attache avec eux. Ah là, c'est bien. Mais tu dois tout de même bien surveiller le petit avant la finalisation du forage. T'inquiète, ma copine. J'y veillerai personnellement. D'ailleurs, regarde, j'ai même oublié ce qui m'a amené chez toi, tellement je suis emportée par la situation de cet enfant. Mais c'est normal, non Hum, Et eh, merci En tout cas, merci d'être là, ma chérie. Merci les filles pour vos conseils. Fanta, à présent, il est l'heure de la culture linguistique avec Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Bonjour Soumana. Bonjour Fanta. Alors, euh, quel est le mot du jour Eh bien, c'est l'expression la liberté de la presse. Car hier 3 mai, le monde entier a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors, je reviens aujourd'hui pour rappeler ce que cela signifie et l'expliquer également en fulfulde. Donc, la liberté de presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur euh, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. La liberté de presse nous permet de diffuser des informations et des idées auprès des citoyens afin de contribuer à une réserve de connaissances communes au sein de la population, d'améliorer le fonctionnement du gouvernement représentant les citoyens en aidant ceci ci à communiquer avec lui. Et cette année, selon le classement de l'ONG Reporters sans frontières, RSF, le Niger a reculé de deux points par rapport à l'année passée concernant la situation de la liberté de la presse. Et vous avez aussi prévu d'expliquer cette expression en langue euh, Effectivement, en fulfulde, on appelle ça Yolbinde Kokolkibaruji. keña tati lewru me le duniyaaru fuu waɗi batu hono ƴeewde fii kokkol kibariɗo ene yolbuno muɗum ɗum saabi hannde nde min garti fa min pillito ɗum fa woɗan saabu ɗum ɗo yo dangaral non gotal jangal e dangare mawɗe ɗe joƴƴinde démocratie ɗum duga allah e hokkude yimɓe kaala ko jiɗi kaala ñumoji muɗum en dow ko laaɓi ndenen kadi yolbinde kokkol kibaruji ɗi no walla du kono himɓe hokke kibaruji laaɓɗi no walla du kono himɓe hokke ko yi'a faamene yaade ɓiɓɓe wuro ngam batte wallude kibaru yettoto hani yettade fuu no wallandu kon ɗan gomnati e nder golle muɗum heɓa haalda e ɓiɓɓe leydi wakkati muuyi eko muuyi wiide ɗum endan so en daari ni hitani hikka ne ɗo leydi niger yerno feddetede rsf ɗum wonno hokkoɓe kibaru duniyaru ɓe mbi e ley pondi ɓe gaɗi leydi niger samiri toɓɓe ɗiɗi hikka Mhm. Mieti, c'est même si on n'a pas compris grand-chose. <laughs> E Merci quand même. Chers auditeurs, si vous aussi vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en tamachek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un message vocal ou tout simplement un message au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Et justement, Fanta, nous allons écouter les messages beaucoup envoyés par nos auditeurs. Ni suna na Walima Ahmadu a nan garin Gegime. Ni mai sauraron kalangu ce. Ni gaskiya kalangu suna birge mu yanda mutum baya zaton shi akan shirye-shiryen da suke. Shirye-shiryen da suka yi birge mu kamar shirin mata da yara, al'adu kuma da motsa jiki, da kuma ilimi da kiwon lahiya, da tsaro da tattalin arziki. Muna kira su ci gaba da yi Allah ya saka musu. na wannan gidan radio na kalangun to yana wayo muna kai sosai saboda muna unwani da shi da muna muna saurare ne saboda abin da a cikin duhu shi na hiddo shi sannan sai ka gane harkar duniya wadda take ta bayan ka gane harkar duniya kana tunani akan rayuwa ka haƙin talaka tsakanin shi da hukuma kaga nan kana samun wani abu wanda a ci gaba saboda gidan radio na wanda koyaushe yana kididdiga biye da kan harkar talaka akan talaka ya gane haƙi ne akan hukuma ita ko hukuma ana biye da ita akan yadda zai kamata ta tausaya ma talaka akan ga tsakanin ta ga zama da shi to kaga wannan gidan radio sai mu ce mun gode mai saboda mi saboda yana da alfanu gare mu sosai ɗari bisa ɗari sannan muna amfana da shi saboda mi saboda gidan radio na mai amfani ga talaka ne amfani ga talaka duk abin da a cikin duba ka san da shi ba sai a zaka awayi ma kai sai ka san ga yadda yake tahi to kaga kinan gidan radio shine a muhimmanci wannan gidan radio na kalangu don haka muna fata Allah ya ƙara taimaka kuma Allah ya sa a dace. tilbiyar kwarara dai no ayoga ba funati to madalla studio kalangu irgo gama razama radiya kan sigine ne fm arano irgo ma studio kalangu labare labar hanniyanno labar kulkan burma studio kalangu irma tabbata na kan cim kware no labaro dini dungur yew no igate irse irga hangan irgo mai kulki go cimo dir mara mirbe kan cim de no de assalamu alaikum ni ne mama mustafa daga nan magarya muna sauraron eh, shirye-shirye na studio kalangu wanda fm magarya ke tari take sawa suna fara daga karfe 7 disattar a dinavar suke hora su kuma suna shirye-shiryen su da duka yare na Niger. Faransai, Hausa, Zabarmanci da komi da komi muna amfanuwa sosai kwarai da gaske. Chers auditeurs, avant de se dire au revoir, nous allons accueillir Nafisa Adamou pour les titres de la grande édition du soir. Bonjour Nafisa. Bonjour Mariam et bonjour Fanta. Bonjour Nafisa. Dans notre édition d'information de ce soir, nous parlerons d'abord de l'arrivée hier à Niamey de la deuxième vague d'environ 50 ressortissants nigériens vivant au Soudan. Ensuite, nous parlerons d'une formation de jeunes acteurs sur l'actorat qui se tient à Niamey également à l'occasion de la semaine du cinéma qui a débuté depuis le 26 avril dernier. Le magazine du journal La s'intéressera aux préparatifs de la campagne agricole 2023 par les, par les producteurs de la région du Maradi et à partir de 18h15 interviendra le forum de Studio Kalangu réalisé à Maradi sur le thème La vaccination des enfants à Maradi, état des lieux, défis et perspectives. Je vous donne donc rendez-vous à 17h. Rendez-vous pris, Nafisa. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et Mariam Adey. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un tout nouveau numéro. À la technique, c'était Saini Isaka et Rayla Toussoumana à l'édition. Bye bye.